Débordons Bordeaux Je dépose. Attends, attends, tu vas où comme ça Tu n'es pas au courant qu'il y a Djeneba qui sort aujourd'hui. Djeneba est sorti. Je suis au travail là-bas, il n'a pas pu me dire. Je, regarde les vidéos vidéo là-bas, je vais regarder encore ici. Aujourd'hui, on va faire le million. On va faire le million de vues. D'abord, on fera le million de vues. Voilà.

Bienvenue dans la rubrique du jour. Merci de vous abonner pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois de De Bordeaux Likoufa et de son clip officiel Geneva Djaba qui fait fureur en ce moment. Et totalise plus de 4 millions de vues en 24 heures seulement. Malox qui a déclaré la guerre à De Bordeaux Likoufa, et décidé de le salir sur les réseaux sociaux profite de l'occasion pour rabaisser et se moquer de l'artiste Apuchou national. Du fait que le clip officiel de Apuchou National en featuring avec Inosbi sorti des jours avant, n'a pas encore atteint les 1 million de vues. Il dit ceci et je cite. Apuchou, ah, viens te mettre à genoux ici, tu me supplies, pour que je parle un peu de toi. Comme ça les Ivoiriens vont te donner le million de vues. C'est maintenant moi qui décide qui va avoir le million de vues en Côte d'Ivoire même si ta chanson est nulle à chier. Fin de citation. à Apucho de répondre à Malox en disant ceci. Mon frère laisse-moi loin de vos enfantillages. En Côte d'Ivoire aucun artiste n'est en concurrence avec un autre artiste. Nous sommes un peuple solidaire. Et chaque chose en son temps, nous sommes tous derrière de Bordeaux. Après on va soulever Ariel Chenet, après ce sera le tour de Safarel etc. Et, peut-être demain sera mon tour. Moi je continue de travailler pour faire plaisir à ma communauté. Je ne suis pas pressé, car chaque chose arrive en son temps. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Toi retourne au placard, avec ta musique démodée comme la carrière de ténor. Fin de citation. Pour vous montrer à quel point l'artiste Malox est dépourvu de bonne moralité et toxique. Tout ça pour de la visibilité. En outre Malox se fait clasher par l'artiste Lady Ponce, qui dénonce sa mauvaise foi, et sa capacité à vouloir coûte que coûte détruire ses autres collègues. Les artistes et blogueurs camerounais tels que Manibella, Lady Ponce et Aïcha Kamoise descendent Malox le traitant de faux et jaloux et le mettre au défi de faire sortir le clip remix de Viviane, et voir si la communauté camerounaise sera derrière lui pour le booster, comme la Côte d'Ivoire l'a fait pour bordeaux Likoufa. Les Camerounais félicitent la Côte d'Ivoire pour leur union et leur soutien apporté à leur artiste de bordeaux Likoufa, le propulsant au sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez vu à quel point les Ivoiriens sont solidaires. À moins de 24 heures, de bordeaux Likoufa va faire un million de vues grâce à la solidarité des artistes ivoiriens, de la population ivoirienne. Mais chez nous au Cameroun, quel artiste est capable ou quel artiste a déjà fait un million de vues en moins de 24 heures Il n'y en a pas. Nous, Camerounais, nous sommes solidaires seulement dans la bêtise. Je vous prends un exemple. Récemment, il y a eu un clash avec euh, Zach Mokassa. Moi, j'en ai pas parlé. Hein. Je n'ai même pas branché, ça ne me concernait pas parce que pour moi, je, c'était inutile. Mais les Camerounais ont été solidaires pour aller insulter Zach Mokassa. Soi-disant, il a insulté notre pays. L'artiste suspect 95 tacle José. Vous vous rappelez Lors de la sortie du clip officiel Geneva Jabba. José qui devait aussi faire la dédicace de sortie de son clip dédié à ses Amazones, repoussa sa date de sortie pour soutenir son frère et collègue de Bordeaux. Ce qui n'a pas été le cas de Suspect 95, qui malgré l'engouement mis derrière des Bordeaux sur les réseaux sociaux, a quand même décidé de faire la sortie de son clip officiel. Le même jour. Et, malheureusement, ce fut un grand flop pour notre artiste émérite suspect 95, qui en retour décide de répondre sur les réseaux sociaux. Je suis fâché, voilà, fâché. Nous, on a tous annoncé les clips là aujourd'hui, par coïncidence, c'est pas qu'un gars l'a programmé. Quand moi, il était vu dedans, il me dit, ah, la fois, non, tu vois, c'est qu'on s'est donné la force, qu'est-ce qui s'est passé Au dernier moment, là, Là, la tati dans la solidarité, mais faut m'appeler.

Il prévoit par ailleurs un concert live pour bientôt. Continuez à le soutenir, parce que c'est l'union qui fait la force. Et c'est la Côte d'Ivoire et l'Afrique qui gagnent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de vous abonner et de lâcher un gros pour bleu. Et de partager au maximum. À bientôt.